mazaje da mata kanana da manya muna gaida kowa. Bonsoir et bienvenue sur un nouveau numéro de Tous à la Fada, votre émission hebdomadaire consacrée à la jeunesse active du Niger. Vous le savez, nous sommes en plein dans les campagnes électorales partout au Niger. Le pays est en effervescence. Affiches, flowers, banderoles, panneaux géants, t-shirts, casquettes, tags des bâtiments et des véhicules. Les candidats ne se lassent pas de messages, de slogans forts, mais de l'autre côté, les jeunes attendent encore de voir un peu désabusés et sont en droit de se demander ce qu'il en est concrètement des différents candidats en termes de conviction et d'objectifs pour la communauté, voire la société tout entière. Et oui, malgré le tapage médiatique préélectoral, beaucoup de jeunes Nigériens ne se retrouvent plus à travers les promesses électorales de nos politiciens. Qu'ont-ils à espérer de cette euh, énième échéance électorale pour les convaincre et obtenir leur voix les jours de vote Entre espoir et déception, les invités nous en dirons plus tout à l'heure sur leur entente envers les nouvelles autorités du Niger. Chers amis jeunes, ils sont 30 candidats à l'élection présidentielle. Ils seront 171 députés pour la nouvelle législature et 266 maires dans les différentes communes du Niger. Vous qui nous écoutez, vous pouvez aussi donner vos avis. Pour les fidèles, ils connaissent déjà les codes pour les nouveaux. On vous explique. 80 06 88 54 pour participer à l'émission à travers nos commentaires. Et pour recevoir tous nos contenus, abonnez-vous à notre fil WhatsApp en envoyant Jean au 80 06 88 54. Tout ça la fada, c'est 35 minutes d'échange, de musique. Vous aurez aussi la chronique de l'émission présentée par Mr. Olivier. Oli Choco, on te souhaite la bienvenue sur cette émission. Comment tu vas, mon ami Olivier Ouais, ça va bien, mon grand frère. Tu pètes la forme Easy. Comme d'habitude. De quoi parle le texte aujourd'hui, mon frère Eh bien, ce soir, on va aller à Paris. On va aller parler des Jeux Olympiques 2024. La grosse nouvelle, c'est que le breakdance, l'art de la rue, est désormais parmi les disciplines qui vont être en compétition lors des Jeux Olympiques de Paris. Rendez-vous donc dans exactement 30 minutes pour la suite de ce que tu as commencé. Exactement. Tout le monde est OP en principe. Allons seulement. Hey. Localisation géographique. Irnea Ergo, place des martyrs. Ergo, pont tiré, ah mantu pont non. Ergo, échangeur tiré. Irnea terrain fokan ite balkar kaise isano ayahara. To alle mio geneo. Pont ba, goudron Noarangaba, ba, terrain noiranga ba, isa ba, imokosu. Wane kularanga chese da tonton à du mouvement MDC. Nous te souhaitons la bienvenue, tu n'es plus à présenter mon frère. Salam, respect et considération à l'ensemble des auditeurs et auditrices de notre émission Aimé Fada. Monsieur Mamadou Abdougado, tu es aussi un habitué à l'émission. Nous te souhaitons la bienvenue. Comment tu vas euh, Je vais très bien, Dondi. Bonjour à tous les auditeurs et auditrices euh, de l'émission Fada. Et je dirais aussi bonjour à Rabia. Je suis avec la commission des exposés, conférences et débats. Affiché d'une carangdi. Filan, filan, inogati. Camarade DG, nous te souhaitons la bienvenue sur l'émission. Comment euh, tu vas euh, merci, Dieu merci vraiment. Euh, tout se passe bien. tout se passe bien, effectivement. Les camarades étudiants se portent à merveille. Les camarades étudiants se portent à merveille. La fatigue parce que vous recevez les candidats. exactement, mais Quand, on se donne, quand on se donne une émission de ce genre, il faut aller jusqu'au bout. Super, la tâche n'est pas facile. Nous inscrivons donc dans la loi euh, de ce qu'on appelle le jusqu'au boutisme. Vous avez marqué l'histoire et vous continuez aussi à marquer l'histoire parce qu'amener ces gens à se justifier devant le Niger en miniature est chose énorme. Parce que Nous allons démarrer déjà avec nos premières séries de questions. Bien avant, écoutons la réaction des jeunes de Tawa sur le sujet. Ils sont au micro de Abi Garba nous, en tant que jeunes, en tant que l'avenir de ces pays, nous voulons que ces élections soient des élections libres, transparentes et crédibles, aussi des élections paisibles, sans violence. C'est ce que nous attendons de ces élections, que les acteurs puissent organiser des élections calmes dans la transparence, sans qu'il y ait un problème, sans qu'il y ait des manifestations au niveau national. Bon, <laughs> moi, et seulement, je vais dire celui qui est le meilleur gagne. Il n'y a pas de parmi eux. Pour cela, je crois que les femmes doivent euh, s'organiser pour qu'au moins, ça, dans l'avenir, qu'on puisse avoir une femme présidente. Bon. Je souhaite que vraiment que ça se passe bien. Bon, moi, sincèrement, pour le moment, je parle de candidat. Je suis nigérien. Il faut quand même euh, étudier ces gens-là pour comprendre euh, ceux qui sont là pour toujours pour défendre euh, tous nos intérêts. Élection 2020-2021 au Niger. Quelle attente des jeunes envers les futurs décideurs Mesdames et messieurs, pour vous, les premières questions. Camarade DG, de la commission exposée, conférence et débat. arannogo face à face sote arannogo konde candidat place AB to min ha allah yo candidat o karango konda place AB didu il faut no go gorga batu iga zan bara da ba an ka bara na gici man chan irin bisa de boradu il faut no arango batu boraga sintina da go bora kul fond goy hmm. eh, surtout de wayne o kan gnairim hinga ci hankai did hankai dikan himanda misali ga tu sala fara no fara sanin no an kan goni bina bon den no ci to ma kusin ganja eh sintina dai wat bo kul kan no gudu mm. sintina dai nim bai kan labizai ngai no kan denin mhm. mantini no kan dai eh demokrasi o kai gine demokrasi man cikal nanguno kan ni kano tebore se man kibore no kagteni se bo kul man kya fo banya ban bagnitarai si demokrasi da bagnitarai gayi wadda ganin demokrasi te paske hine kan sin kan su kamanti demokrasi kan jin ku goro hini yan nokara labi zai manci kali ban yi yan bore kan gaggama ise hmm. walmo wakan sai gine autokrasi u monokrasi kan manchikal bora kan ga mai manchikal irkoi fason fono dan hmm. irko no ngumo ne o o wasan ba sin ka ye ganda to demokrasi o jaran dana ga o demokrasi o manchikal nan guno kan bai kulga ci hanka di mhm. hanka ba mhm. da matka ga himada bora kan ga mai da bora ki ga mai ikul manchikala fallon no han kan hanil ko te nika nin bai kan labi zaino kan ni nika goyi sino manti kano mu goyi ni se han ka ni fargan nin ni gidira mm. yarin ga wodin ga cap kan sette kan yayi Mm. il faut que nim dalla la démocratie c'est le pouvoir du peuple par le peuple et pour le peuple camarade Ali du mouvement dynamique citoyenne ces élections qui s'annoncent sont-elles de manière générale source d'espoir pour les jeunes que vous êtes Si oui, dans quel sens Sinon, pourquoi euh, merci beaucoup. Euh, je, je m'en vais de prime abord commencer avec euh, l'intervenant que je viens d'écouter. Mhm. Ce jeune, à, rentré il disait que en tant que jeune, il cherche des élections apaisées et crédibles. le thème d'aujourd'hui de notre FADA aussi nous parle des, des avantages. Des, avantages surtout de la jeunesse. Avant de parler des, élections apaisées, il faudra demander d'abord mm. ce qui te revient de droit misali ga apaisé bena a ganda haddai din du hay kan fundo ga ba kan na burkin tara kai apeze mi skanda sani zamni kur kan ni gunda go kan ni bid mm. subai mutun ku suman da ke ni sinda bani kan ni ko ngware ci tu n'as même pas le droit de penser à ce qu'on appelle apaisé mm. pour être dans le euh, comment on appelle euh, système d'apaisé là mm-hmm. il faut que ni mutun kan la kale kani mm -hmm. Donc, Aïwo, Aïdiyango, Yango, en mhm. tant que jeune, mhm. moi je pense que dans un premier temps, la jeunesse nigérienne doit reposer le débat de la même manière que euh, euh, les camarades de l'université Abdou Moumouni mhm. ont innové en amenant ces gens dos au mur, en les amenant à exposer leur programme et à tenir des promesses. Et du coup, moi, j'avais écouté, les jeunes disaient que la personne revient. chacun d'eux a pris l'engagement de, de, revenir à la place B, B pour rendre compte. Donc les interpeller à tout moment. C'est même leur droit. Normalement, c'est ça le système démocratique. Donc normalement, chaque jeune dans les quartiers, aran fada izi kenye kanga aran mhm. Zi conseiller, zi député, ikagi gongormandino. ir kurane ni ne ni gitirse yakine ni ne ni gitirse dindu ir se zam ne ni dindu

Est-ce que tu préfères poser le thé pour mettre de la musique, pour faire élire quelqu'un ou de t'élever pour aller travailler et élire quelqu'un à partir des idéaux Bien sûr. C'est ça la question que je doit se poser. irgo tabira no tabo le président de l'OGEP Niger l'Observatoire de la jeunesse nigérienne pour la paix. PBNP Ganda. Les jeunes sont fortement impliqués et engagés dans le processus électoral Mahamoudou Abdoukado. À travers la validation de leur candidature aux élections municipales, législatives et même présidentielles. Qu'est-ce qui explique cette situation Les jeunes se sont engagés à fond dedans, Mahamoudou Abdoukado quel impact réel ces engagements sur l'avenir des jeunes politiques au Niger Je n'ai pas dit de parvenir. Et que j'en qu'à Tibi ou maintenant Donc d'abord, euh, de, de prime abord, je voudrais féliciter les étudiants qui ont eu euh, cette initiative qui ont eu cette initiative euh, d'inviter les candidats à la présidence pour exposer leur projet de société et qui, je pense, euh, sont venus et défendre euh, du moins ça, euh, leur projet. Maintenant, je vous parlais d'espoir, des attentes. je pense bien que au Niger, nous avons l'expérience d'organiser des élections. Nous en avons fait au moins de 93 à nos jours. Nous sommes notre pays, je crois bien que est vraiment euh, habitué dans l'organisation euh, de ces élections. Et fort malheureusement, nous constatons que c'est les mêmes têtes qui ont servi le cadre politique de 93 qui continuent à servir toujours aujourd'hui le même cadre politique. Et ces hommes-là, ils ont toujours promis ils ont ils n'ont jamais tenu leurs promesses. Donc aujourd'hui, venir tenir des promesses, qu'est-ce qui nous dit qu'ils les tiendront ah. ils, ils, ne vont jamais tenir euh, leurs promesses. il y a aussi, euh, comment on appelle ça, on peut présager l'avenir. Parce que nous voyons aujourd'hui les conditions dans lesquelles ces élections sont en train d'être organisées. Nous voyons aujourd'hui et comment ces hommes-là sont en train de se battre. Tout ça là nous démontre clairement que c'est des hommes qui sont en train de se, euh, battre pour leur propre intérêt égoïste et partisan. C'est pas pour l'intérêt général. C'est pas pour l'intérêt du Niger. Les hommes passent avec leurs qualités, leurs défauts. Le Niger reste en fonction de ces intérêts qu'on doit tous s'agir. Nous allons prendre une pause, pas musicale, mais l'artiste s'exprime. Nigérien nigérienne, mes chers compatriotes, surtout Salafada, l'ingénieur Idriss Lawali Abdou s'exprime. Vous, vous rappelez certainement de Idriss Lawali Abdou, concepteur de l'application Karatou Postbac, ex-président de l'association des Nigériens de Toulouse. Vous vous rappelez de l'émission Franco nous avions parlé de la culture nigérienne vendue à l'extérieur, en France, à Toulouse, par ces jeunes nigériens. À travers, bien évidemment, la journée culturelle des Nigériens de Toulouse. Ils ont fait la promotion, ils ont fait venir des artistes nigériens, ils ont vendu les couleurs nationales. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser une application. Une application conçue par ce jeune ingénieur nigérien. L'école est déjà fermée, puisque le 17, vous vous rappelez certainement, le Conseil des ministres a décidé de suspendre les cours, les séminaires ateliers depuis le 17. Alors aujourd'hui, il a une contribution apportée au monde scolaire. Il a conçu une application pour vous, jeunes, scolaires. Aujourd'hui, c'est de cette application que nous allons parler sur cette émission. Tout ce que vous voulez savoir sur KPB, c'est tout de suite maintenant. S'orienter dans la vraie vie, c'est rechercher les quatre points cardinaux. Et les quatre points cardinaux sont l'Est, l'Ouest, le Nord et le Sud. S'orienter dans le monde scolaire, c'est rechercher Post et Idrissa, je te souhaite la bienvenue sur cette émission. Comment tu vas Tu pètes la forme Ouais, Dondi, je vais très bien. Et toi Ouais, ça va bien. <laughs> Bien protégé. La pandémie continue toujours, euh, n'est-ce pas, à circuler dans le monde entier. On respecte ici à Kalangou la distanciation sociale, les gestes barrières, lavage de mains, pareil. Parlons de cette application pour permettre au monde scolaire de se retrouver à travers justement l'émission Tous à la Oui, oui, euh, comme tu l'as dit, Dondi euh, très bientôt, on va se retrouver justement. Euh, quand je dis on, c'est surtout les scolaires. Mhm. Donc, à, la maison, peut-être à s'ennuyer, à ne pas savoir quoi faire. Mhm. Donc, j'ai une très bonne nouvelle pour vous, pour tous ceux qui, qui sont au lycée ou les étudiants. Donc vous pouvez aller télécharger Kara to postback qui est euh, disponible sur Play Store euh, pour ceux qui ont Android et euh, Apple Store pour ceux qui ont iOS. Donc l'application va aider ces jeunes en tout cas à trouver les, les informations qu'il faut dans leur parcours d'orientation scolaire. Donc pour le monde, on va dire euh, les études supérieures. Mhm. Donc euh, l'application vous aidera euh, de façon concrète à trouver les informations sur les choix de filière mhm. qu'il vous faut en fonction de vos compétences, de vos capacités, mais aussi elle vous permettra de vous inspirer de parcours inspirants de jeunes qui ont étudié un peu partout dans le monde. Donc on peut donner comme exemple le parcours de Fajimena, qui est aujourd'hui la première Nigérienne à la NASA donc euh, qui va vous inspirer. Elle vous expliquera pourquoi elle a fait euh, ses études du coup d'hydrologue mhm. et qu'est-ce qui l'a amené euh, à arriver à la NASA aujourd'hui. Et vous pouvez aussi avoir des informations sur les procédures d'inscription un peu partout dans le monde. Dans le monde, parce que ben, il faut dire que l'application oriente. C'est ça. On a généralement des problèmes. On veut aller étudier à l'extérieur. Ben des phases compliquées. Alors, il suffit de télécharger l'application pour avoir toutes ces informations, c'est ça Oui. L'essentiel pour nous, donc du coup, c'est de donner les voies et moyens pour permettre aux jeunes, puisque nous sommes pratiquement à la fin donc, de cette rubrique, donner eh bien évidemment euh, un moyen aux jeunes d'aller télécharger cette application et la suite, ce serait sur l'application. Comment avoir KPB Idriss Abdou. KPB, comme je l'ai dit, eh. c'est aller sur Play Store quand vous avez euh, Android ou bien aller sur Apple Store si vous avez un iOS et l'application est 100% gratuite. Vous n'avez qu'à l'utiliser et vous faire plaisir, comme on dit. Idrissa, un message très fort à l'endroit du monde scolaire, à l'endroit des jeunes scolaires qui écoutent et regardent cette euh, émission. Idriss Lavaliabou, il faut sauver l'année, quelles que soient les difficultés. Alors, un message de fin pour que nos camarades euh, élèves et étudiants puissent donc se retrouver à travers cette émission, pour que cette année soit l'année de leur année. Un message de fin. Donc, comme on le dit euh, dans le jargon, gardez la pêche, soyez motivés. Et n'hésitez pas à prendre le pouvoir sur votre avenir. Et n'hésitez pas à aller consulter Karatu Postdoc, elle vous y aidera. Et comme on le dit aussi souvent, tout un chacun de nous a un talent. Ce qui, ce est un devoir pour vous, c'est d'investir du temps pour le chercher et de le valoriser. Des petits jubots s'en va à l'école en portant son sac posé sur le pôle. Il savait travaillé, on lui donnait des bonbons, un bouquet de fleurs. C'était l'émission. Tous. C'était à l'instant, l'artiste s'exprime sur l'émission Tous à la Fada. On a compris un certain nombre de choses à travers cette rubrique. Vous êtes toujours en compagnie du programme du studio Kalango. Vous êtes sous l'émission Tous à la Fada. Enrichissez cette émission nous envoyons vos commentaires au 80 06 88 54. Vous pourrez recevoir nos contenus. Envoyez voyageant au 80 06 88 54. Nous sommes toujours à la place des martyrs, mesdames et messieurs. Nous parlons des élections 2020-2021 au Niger Quelle attente des jeunes envers les futurs décideurs Camarade DG, Hegel, sonda nima Matka matkan Mahamadou Abdou Antida. Ane promesso dabara de tonan di yakin da yakin to arawo kango fasa faso wote ne o place ika isambu sanke aran jina aran jeune mo seni sambu sanke de de sanke wo ki sambu imani tonan faut nous face à face de matkina himanda baranda euh, merci Dondi donc et euh, eh, auditeurs et auditrices euh, si vous me le permettez je préfère d'ailleurs un peu contextualiser ce que l'on appelle l'émission face, face, à face. D'accord. Alors l'émission c'était effectivement inscrite dans un contexte électoral qui a une particularité de taille. C'est peut-être pour la première fois de l'histoire que le Niger va passer d'un président démocratiquement élu à un autre président démocratiquement élu. Ah c'est la plus grande euh, particularité de ces élections. Mm-hmm. Deuxièmement, nous avons remarqué que nos aînés, donc nos grands frères, à un moment donné, ont eu à ne pas jeter un regard assez lucide sur certaines choses. On a considéré que l'USN doit s'inscrire dans une perspective de marxisme-léninisme radical qui consiste à s'écarter totalement du politique. Le caractère politique de l'organisation, nous avons compris que quelque part ça a continué à contribuer à une forme entre griffes d'échec, sinon de, de paralysie. Et c'est pourquoi nous avons compris que l'étudiant en tant que citoyen, entendons par citoyen, c'est celui-là qui a des, devoirs, des droits à revendiquer, mais aussi des devoirs à accomplir. Nous avons décidé de nous inscrire dans la logique de, d'un certain Franck Faron qui dit que chaque génération, dans une partielle opacité, a une mission à accomplir, soit qu'elle l'accomplisse, soit qu'elle la trahisse, mais qu'en la trahissant, elle risquerait de faire face à ce qu'on appelle le tribunal impitoyable de l'histoire. Nous avons décidé de prendre notre destin en main, nous avons décidé d'amener ces hommes-là à se placer devant nous dans la plus grande égalité démocratique conçue dans les théories de Rousseau, des fois à l'aise, des fois mal à eh, eh, l'aise. Des fois à l'aise, des fois mal à l'aise. Nous avons décidé de briser la glace du silence et surtout les conditions de privilège qu'on offre à certains pour créer les conditions de marginalisation. Nous nous sommes inscrits, bref, dans la perspective marxiste-léniniste qui consiste à convoquer la contradiction pour qu'il y ait, pour que, pour que que jaillit ce qu'on appelle la vérité. Parce que c'est ça aussi l'objectif de la contradiction, c'est enfin la vérité, la vérité obtenue. Nous avons décidé effectivement de convoquer cela pour qu'il y ait ce qu'on appelle la présentation d'un programme de société. Parce que nous, en tant que théoriciens, parce que moi je suis de formation étudiant en philosophie politique, nous avons compris en matière de communication politique, les enfants appellent rapidement à trois formes de communication, de stratégie. D'abord, il y a une première stratégie qu'on appelle la propagande qui consiste à créer les conditions d'avoir deux ou trois mots sensibles pour pouvoir amener les hommes, souvent par force même, à s'adhérer. Ensuite, il y a ce qu'on appelle le populisme qui consiste à crier, faire en sorte comme si on est du côté du peuple pour un peu, un peu le tromper. Et enfin, il y a une troisième stratégie de communication qui vient de naître récemment qu'on appelle la le marketing politique. Le marketing politique est la forme de communication politique la plus rationnelle, qui consiste à venir présenter un, projet de société, un projet politique, avec des arguments qu'il faut. Donc les hommes doivent utiliser les raisons critiques en fonction de la substance de ce qu'ils leur proposent. C'est de cela qu'il s'agit, donc c'est de là qu'est né le choix, donc un choix que nous appelons rationnel. Donc nous avons contribué pour qu'il y ait des élections à la base d'une rationalité, à la base d'une objectivité, à la base de, donc, votre, de, la teneur de votre projet. Oh. Donc c'est le contexte en Tellement la démocratie est intelligente. Hmm. La démocratie a créé les conditions mhm. de recours. D'accord. Nous ne sommes pas, je l'ai dit au début, nous ne sommes pas dans les conditions d'une forme d'esclavage. La démocratie crée toutes les conditions pour que lorsque ça ne va pas, l'on s'exprime. Lorsque ça ne va pas, que l'on dit ce qui ne va pas. Et nous allons partir de ce qui est d'abord pour voir ce qui ne va pas et nous allons nous mettre devant leur chemin. Nous allons les ramener derrière la place à Boubker, comme mon frère vient de le dire. Ils vont revenir répondre parce qu'ils ont pris l'engagement d'accomplir leur mission au cas où ils échouent nous, nous allons nous lever encore pour leur dire ça ne va pas. Et nous allons le force par la force des arguments, par la force des mots. Mais quand il le faut, on peut même mettre de la rue. Parce que c'est ça aussi ce que donne, c'est que la, liberté de manifestation existe en démocratie. Et c'est une, un droit qui est qui n'est pas traitable, c'est un droit irréversible. En démocratie. Merci camarade DG. On revient à mon ami Ali de la formation MDC. Entendez par là mouvement dynamique souterrain. Un mouvement qui est pour la politique de développement. En tant que jeune, M. Ali, qu'est-ce qui n'a pas marché avec les précédents régimes sur la question des jeunes selon vous et quelles peuvent en être les causes Il faut des noms Tafar. Euh, bon, euh, je m'en vais euh, dire les choses d'une manière directe, comme on le dit, en termes jeunes, en termes fada de la conférence nationale à nos jours, ce qui nous a pas donné la chance en tant que jeunes, c'est que la jeunesse nigérienne, elle a oublié ou bien elle n'a même pas compris c'est que c'est pourquoi elle doit se battre. Donc par conséquent, elle a passé tout son temps à jouer les bénis oui à jouer les griots pour les autres, sans idée. Elle a passé tout son temps à idolâtrer d'autres politiciens ou à idolâtrer, si ça aurait été que c'est les politiciens, mais à idolâtrer des hommes. Mais c'est ça, bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Parce que personne nous a obligés à, à élire ou à accepter quelqu'un. On a voulu accepter. Et on a cautionné. Et du coup, maintenant, après, quand on a dos au mur, c'est en ce moment que les gens essayent de réclamer quelque chose. Quelqu'un qui te donne de 10 000 francs ou 5 000 ou 2 000 francs pour... Ou, juste te donne euh, quoi te poser, il a déjà acheté euh, euh, comment ta voix. Donc tu n'as plus... En, bon, en bon croyant, je pense que lui, il t'a payé. Il t'a payé. Donc c'est à toi maintenant de t'assumer. La jeunesse nigérienne, elle a tout faux dès au début. Elle a tout faussé plutôt dès au début. On n'avait pas compris notre mission. Hmm. Donc maintenant, pour vraiment revenir par rapport à la pour revenir par rapport à ce qui nous attend. C'est-à-dire que ce qu'on doit, on doit faire pour récupérer notre mission, c'est ce que euh, le jeune frère vient de dire. Ce qu'ils sont en train de faire, il faut remettre en, cause beaucoup de choses. Il faut rébelloter. C'est ce que ces jeunes sont en train de faire. C'est-à-dire qu'il faudra ramener ces hommes politiques à comprendre que quand ils étaient jeunes, ça ne s'était pas passé comme ça. Certains d'entre eux, à, 20, à 25 ans, ils étaient déjà dans le système. De nos jours, euh, les jeunes, à 30 ans, 40 ans, diplôme en poche, la personne n'a rien, ni emploi, ni repère. Avec ça, les gens pensent qu'ils vont continuer à rester dans l'EFAD, à recevoir du thé, à chanter pour quelqu'un. Et surtout, et de sur quoi, on parle des élections apaisées ces derniers temps toi qui n'arrives pas à manger, toi qui es toujours chez papa et maman, toi qui n'as pas d'emploi, toi qui n'as qui, pas de femme ni d'enfant, tu vas continuer à me parler d'apaiser. Donc la jeunesse nigérienne a l'obligation de se ressaisir et se dire que 2021, jamais sans nous. Moi, c'est ce que je pense réellement du système. 2021, jamais sans nous. Ali de la formation MDS. On va écouter Alassane Kouzi, un artiste très très engagé qui quand même a slamé sur le thème demain les élections. Il s'adresse à la jeunesse nigérienne. On le kiffe et tout de suite, la suite. Demain, les élections. Vous irez voter et leur donner vos voix sans aucune conviction, juste en échange d'un paquet de thé et de sucre. Comme si ces paquets dureront le temps d'un mandat de 5 ans. Vous êtes L'air bétail électoral. Demain, les élections. Vous irez voter et leur donner vos voix non pas à cause d'un programme ambitieux qui créera des emplois, mais juste à cause de 5 000 ou 10 000 francs. Comme si pour vous, ces billets vous feront tenir le temps d'un mandat de 5 ans. En fait, vous êtes l'air bétail électoral. Demain, les élections. Vous irez voter et leur donner vos voix non pas parce qu'ils promettent d'assurer l'égalité entre hommes-femmes dans les fonctions nominatives et électives, encore moins de respecter le quota mais juste à cause de trois pagnes à l'effigie de leur personne. Comme si ces pagnes vous habilleront tout le long d'un mandat de 5 ans. Dommage, mais vous êtes leur bétail électoral. Demain, les élections. Vous irez voter et leur donner vos voix non pas dans le but de les sanctionner pour avoir manqué à leurs promesses, mais pour à nouveau leur accorder votre confiance dont ils ont déjà abusé. Eux, ce sont les hommes politiques. Nombre d'entre eux n'ont qu'une seule logique, celle de nous conduire tous au pâturage dans les urnes publiques. Pour eux, seul compte le nombre. Pour eux, nous ne sommes pas plus que du bétail électoral. C'est Alassane Kouzi qui accueille euh, Mr. Olivier pour la chronique. Nous sommes pratiquement à la fin de l'émission. La troisième partie, juste après la chronique, on renverse bien évidemment les choses. Olivier, je te souhaite la bienvenue. Tu as kiffé Alassane Kouzi, ah tu ben as kiffé le son. Hi, big à, la, la jeunesse euh, nigérienne. Alors, Comment est-ce que tu vois les choses, toi, en tant que Eh bien, moi, je pense que euh, à travers du Niger, ce sont est euh, un son panafricain. Et partout au monde où le choix est fait, il faut que chacun fasse le choix de leur conscience et surtout le choix vers un, lendemain meilleur. Achat de conscience, C'est pas, bon. C'est pas bon, Asibouri. Olivier, parle-moi du texte, euh, s'il te plaît. Nous sommes pratiquement à la fin de l'émission. Paris 2024, le dance fera partie des Jeux olympiques. C'est la nouvelle que nous avions reçue le 8 décembre de certaines sources d'informations. Au Niger, comment la discipline se porte-t-elle C'est la question à laquelle nous nous intéressons dans la chronique de ce soir. Mr Olivier, donc on est allé. Alors, une petite mise au point, le brick dance, de quoi s'agit-il exactement Eh bien, c'est une danse dérivée de la culture hip-hop qui est apparue aux États-Unis depuis les années 1970. Danse urbaine, sa particularité est l'usage du corps entier. Elle est caractérisée par des roulades, des mouvements de corps et parfois des acrobaties. Eh bien, au Niger. La discipline de breakdance s'est développée, ceci grâce à l'implication de certains acteurs comme les centres culturels, les centres culturels binationaux comme le centre culturel franco-nigérien Jean Rouge de Niamey par exemple. En offrant aux jeunes passionnés la possibilité de s'entraîner, ces structures ont accompagné à l'évolution de cette discipline qu'est le breakdance. Et oui, j'ai omis de vous dire qu'un danseur de breakdance est appelé B-boy ou encore b-girl. 50 ans après la naissance de cette discipline, elle fait son entrée dans le cercle des disciplines aux Jeux olympiques de Paris 2024. Alors, comment le Niger accueille cette nouvelle Ready ou encore euh, pas ready Là, il nous faut encore attendre 4 ans pour répondre à cette question. Allez, faites vous rêver. Merci. Bye bye. Merci, Mr. Olivier, euh, pour cette chronique. On euh, s'est en tout cas retrouvé la jeunesse aussi qui kiffe cette émission à travers nos 46 radio partenaires. Se retrouve à travers bien évidemment ta voix. Élection 2020-2021 au Niger. Quelle attente des jeunes envers les futurs décideurs Nous sommes à la fin de l'émission. Monsieur Ali, je commencerai par toi. Indini Gamara, il aiwa diyan woga iro wadin qui nin kungiya te bonu follon bor follon sai kurte kal hawi diyan sintina me iri wo son goyba ababari jen kurkani no goy kaga goy mm. aga goy dinga ba nga inga hambano mm. aga goy dinga hairai wano aga goy dinga wonde dingi zai wano aga goy da babuwar mane ima role renverse ya no gati son lokaci karar go ni bai tan wani kai san nai dinci tare zatarai gono son nyai zatarai siya zai zai kai ni kendi ni kai ga ton ton fonu na haraka sara ali Quand on parle des élections, on les voit dans les hameaux les plus reculés. Disait Kamikaze au sein de la chanson Wiza. Ngadega Jase, ah Oui Et c'est quand c'est la bosse. Mamadou Abdou Gado. Ni nergabanda, Banda, Mamadou Abdou On connaît Nigérien, mm. Kanyan, Irkoi, Dingo Bonara, Boradu Gaka, no Diase, Ate, président de la République, Ami Margou Bonfou, Ami Tenyafou c'est parce que la personne est consacrée et que il unifie l'ensemble des Nigériens il travaille avec les Nigériens, il va travailler pour les intérêts du Niger, je suis convaincu. je Mamadou, Issa Banda nan kile ti denge alo maraika Place des Martyrs ergene aranse kalde hinono ya kirkande temu fogoto nan da arando hey